qu'il n'y a même pas de maladie pour voler des milliards. Eh, ça n'a fait caution. il n'y a pas de pension. Non, il n'y a pas de caution. Caution 3 francs, je l'ai payé. On m'a pris. Je, ne reculerai pas. D'accord, un bien va temps. Bonsoir. Bah, bah, Demain, tu me convoques. Ça va, où Bon, on fait, on fait francs. Ça, c'est quoi La caution, c'est combien Togal dal y a man ma

Enregistrez-moi, c'est un imbécile. Voyons, vous nous traînez dans la boue. Tout le monde est 20 heures. Il est 6 h du matin. Mais pourquoi Chaque 500 milliards de bougat. Chaque 500 milliards. Il a volé les 1 milliard. Les 1 million de milliards. Les 500 milliards. Vous nous vilipendez. Vous nous traînez dans la boue. Maminta. Je m'en fous. Vous êtes ancien ministre. Billahi wal kitab, c'est un gars de ma Non, je dis, vous êtes ancien ministre. T'as dans l'autobus. 5 fois. dinaa brisé gris bi di ngeen ma rey taal oto bi je me laisserai pas faire kaay taal oto je ne me laisserai pas faire di ngeen bëgg da ngeen bëgg scandale di ngeen am suba waaw y pas à négocier di ngeen ma yóbbu prison wala ma prison pas Il n'y a pas à négocier. Vous, allez me mettre dans la grille. Waouh. Vous, vous, ancienne ministre au Sénégal, vous, êtes de la merde. Vous ne nous respectez pas. Moi, je paye 3 000 francs. Vous ne nous respectez pas. Moi, je paye 3 000 francs. Vous ne nous, Macky Sall, nous, nous, nous, nous, def ci réew mi Macky Sall Moi, je paye 3 000 francs. Waouh. Eh, mais c'est pas gentil. Le président foutre. J'en ai rien à foutre de Macky Sall. Macky Sall, Dakar allait se faire foutre. Voyons. Il est souvent. Moi, je ne me laisserai pas faire. Je ne me à Dieu. Libre là. Voyons.